Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Mohamed Maman, journaliste à la radio Garko Maradi. Le forum est diffusé sur l'ensemble des huit régions du Niger grâce à un réseau de 47 radios partenaires et six télévisions, dont cinq basées à Niamey et une à Zander. À Maradi, vous écoutez ce forum sur les ondes de la radio Garkoa 107 MHz et la radio Saraunia sur les 102.1 MHz. Le forum d'aujourd'hui a pour thème évacuation des eaux usées à maladie quelles difficulté Après deux ans d'accalmie cette année, suite aux fortes précipitations enregistrées dans la région de maladie mais également les inondations enregistrées l'année dernière, la maladie du choléra a refait surface avec plus d'un millier de contaminations et une vingtaine de morts. En effet, avant que cette épidémie ne déclare, chaque année, la saison de pluie est immensement crainte car la maladie peut se déclarer à tout moment du fait du comportement au vu de l'insalubrité. Il est courant que certains habitants, surtout ceux des quartiers anciens, profitent de la pluie nocturne pour évacuer leurs eaux usées, notamment celles des fosses septiques, comportement qui n'est pas sans conséquence sur la santé des personnes et des animaux. Quels sont les dangers qu'entraînent certains actes Que dit la législation en matière d'évacuation des eaux usées Comment assurer une bonne hygiène et assainissement digne du nom au profit des populations autant de questions auxquelles euh, nous tenterons de répondre dans ce forum. Pour débattre, euh, nous avons invité M. Ousmane Yakouba, qui est le responsable de la brigade sanitaire à la Direction régionale de la santé publique. Nous avons M. Sayeb Malam euh, Laoli, qui est aussi au niveau de la Direction régionale de la santé publique. M. Rabu Kane, le deuxième vice-maire responsable du service hygiène et assainissement de la ville, pour parler de ces questions. Merci d'avoir répondu à notre invitation et soyez les bienvenus. Avant de commencer notre forum, je vous invite à suivre euh, la réaction de quelques citoyens par rapport donc à notre thème du jour. Je m'appelle Fatima Issoufou, plus connue sous le nom de Tima Idouel, dans les bas-fonds de Maradawa vers chez Ado le charmeur des serpents. La seule solution qu'on doit prendre pour lutter contre cette maladie, c'est la salubrité. La salubrité reste donc la meilleure solution. En ce sens, il faut rendre salubre la maison de haut en comble, les latrines, etc. En ce qui concerne les enfants, d'abord il faut surveiller leurs faits et gestes une fois au dehors et dès qu'ils reviennent à la maison. Il ne faut pas les laisser prendre même le gobelet sans avoir lavé leurs mains. Il faut leur laver les mains avec de l'eau et du savon. Et s'ils reviennent des toilettes, il faut bien leur laver les mains avec de l'eau et du savon à défaut chercher de la cendre. Notre appel à la population, c'est d'éviter d'évacuer les eaux usées devant nos portes, parce que la principale cause de cette maladie, c'est l'insalubrité. Il arrive que même si tu rends salubre ton domicile, certaines personnes viennent jeter les ordures devant ta porte, ce qui rend à zéro tout le travail que tu as entrepris. L'appel que je vais lancer aux gens, c'est de prendre bien soin de leurs enfants. Eh. Eh, je m'appelle Elaj Moussa Ado, charmeur de serpent du quartier Maradawa. En réalité, le conseil que nous hommes donnons aux femmes qui sont toujours à la maison avec les enfants, c'est premièrement de faire la salubrité. Il faut rendre salubre l'environnement. Il n'est un secret pour personne, nous faisons face à une maladie et en cette période de pluie, il est primordial de nettoyer les maisons, pratiquer le lavage de mains à tout moment et d'éviter tout comportement qui peut renforcer la propagation des maladies. En ce sens, il est important quand les enfants défèquent que les femmes s'en débarrassent rapidement et également en se lavant les mains à l'eau et au savon. Pour celles qui allaitent, il est extrêmement important pour elles de bien se nettoyer avant de mettre l'enfant au sein. Il est déplorable de voir des femmes oublier des eaux usées et par mégarde les enfants peuvent boire cette eau, ce qui peut être source de problèmes. J'en appelle donc à la vigilance des femmes qui sont à la maison de faire très attention en respectant les règles d'hygiène pour lutter contre le choléra. Une autre chose, nos habitations sont situées juste à côté du Goulbi, qui vient avec des eaux suillées. Si nous ne prenons garde, l'utilisation de cette eau sans traitement peut nous être fatale. Il faut également empêcher aux enfants de rentrer dans cette eau pour éviter cette maladie. Mesdames et messieurs, vous venez donc de suivre euh, la réaction de quelques citoyens de Maradi, surtout euh, du quartier euh, Maradawa. Alors, nous allons débuter ce forum avec vous, monsieur Ousmane Yakouba. Vous êtes donc, je l'ai annoncé tantôt, le responsable de la brigade sanitaire de la direction régionale à de la santé publique. Quels commentaires euh, ces réactions vous suscitent eh Bien, la radio Garquois de nous offrir cette euh, opportunité d'intervenir et de nous adresser à la population de la ville de Maradi. Nous venons d'écouter un témoignage de quelques citoyens, notamment des quartiers Maradawa, ville de Maradi. Et ces témoignages font cas d'un déversement, en tout cas d'eau usée d'une population en amont et qui va à l'endroit d'une population en aval. Un autre témoignage fait cas en tout cas des règles d'hygiène qu'il faut dans tous les sens, notamment l'hygiène personnelle, domestique et de tout ce qu'on a comme commodité pour la vie. Et c'est dire toute chose que la population à peu près est presque consciente du danger qui est en train de nous guetter. Mais euh, on se rend compte qu'ils font face à un environnement où il y a des contraintes, où eux-mêmes ils ne peuvent rien faire à des limites c'est des conflits de voisinage, c'est des conflits entre le citoyen lui-même et son environnement. Puisque même si par ailleurs tu peux agir, si la force de l'environnement te dépasse, tu ne peux rien. Tu es réduit à zéro. Le conflit de voisinage, euh, ça se résume comment C'est que, comme on dit, euh, départager deux citoyens, c'est pas facile, il faut la loi. Donc euh, la loi existe bel et bien dans ce domaine. Donc tout au long de ces débats, nous allons au moment opportun, en tout cas, expliquer les enjeux de cette loi-là et les conditions de vie de la population. Merci beaucoup. Merci euh, Ousmane Yakouba. Monsieur Zaebou Malan Laouli, vous êtes aussi euh, au niveau donc de la direction régionale de la santé publique. Vous avez écouté ces femmes et ces hommes. Quelle réaction cela vous suffit et Merci bien et la radio Garquois. Et ma réaction par rapport au témoignage de la première dame, et j'allais dire que c'est une ambassadrice de l'hygiène euh, assainissement parce que et de façon ramassée, elle a d'abord euh, lancé un cri d'alarme par rapport au comportement de nos concitoyens, des habitants de la ville de Maradi particulièrement, et maintenant des conseils qu'elle a adressés par rapport aux mesures qu'il va falloir prendre pour euh, y remédier. Et de l'autre côté aussi, et comme Ousmane l'a bien souligné, c'est vraiment une situation délicate où on a des pressions de partout et que aussi il y a des limites vraiment auxquelles la population, la population ne peut pas vraiment franchir. Donc, euh, face à cela, euh, nous allons revenir dans les détails par rapport aux mesures ou décisions à prendre. Merci, Saïb Malalaouli. Je vais tourner vers vous. Euh, Monsieur Rabiou vous êtes le deuxième vice-maire de la ville de Maradi. Vous êtes aussi le responsable du service hygiène et assainissement. Donc, vous vous occupez beaucoup plus de l'hygiène et assainissement. Vous avez écouté ces femmes. Est-ce que ce que les femmes ont, hum, ou bien la population vient de décrire, c'est le constat euh, qu'on voit sur le terrain. Nous venons effectivement d'écouter de, la réaction des quelques citoyens euh, de la ville de Maradi, plus particulièrement les, euh, habitants les plus concernés par ces, ces, fléaux. Donc, vraiment, selon les réactions que j'ai entendues, donc c'est une réalité, effectivement, qu'ils ont eu à déverser. Mais chose qui m'étonne, quand même, des paisibles des citoyens, des citoyens lambda qui sont conscients et qui arrivent à faire ce raisonnement et qui, nous voyons des comportements contraires à ce qu'ils sont en train de dire au sein de la population, vraiment, nous sommes très, très étonnés. Donc, euh, si cette population qui venait effectivement de dire de faire cet exposé-là. Donc, vraiment, s'il y a eu partage, effectivement, de cette, eh, information, il n'y aura pas quand même eh, quelques prémices de choléra à Maradi. Mais euh, justement, comment peut-on expliquer cette situation dans la ville de Maradi, monsieur le maire Donc, la ville de Maradi, effectivement, depuis notre autre euh, eh, installation, nous avons eu à voir vraiment des choses euh, la tête même ne peut pas euh, concevoir. Surtout, comme vous avez dit, euh, un être humain et de se croire un musulman qui, se permet de, prendre des, eaux usées, voire même des eaux, septiques, en train de déverser dans les rues. Donc, en, comment s'appelle Exposant donc la population tout entière donc, a des dangers. Vraiment, ça, c'est désolant. C'est vraiment inacceptable. Maintenant, nous sommes à la phase de, sensibilisation. Donc, euh, on va en parler dans le, dans de, de, débat plus euh, profondément de, ce phénomène-là. Euh, Ousmane Yakouba, qu'est-ce qui explique que les gens profitent de la pluie, de la nuit, pour déverser, pour euh, vider le fosse septique, sachant évidemment que c'est dangereux. Qu'est-ce qui peut expliquer cela Oui, ok. Mohamed, bien avant ça, et je renforcerai l'idée de M. Raibiou, qui dit que voilà une population qui veut une chose et son contraire. Apparemment, c'est comme ils ont compris, mais dans la pratique, dans les faits, quand vous prenez le film du quartier Marada, ça ne répond pas à ce que ces gens-là sont en train de dire. Comment expliquer ça Il y a ce qu'on appelle la loi du grand nombre. Au fait, sur 1000 personnes, c'est à peine 5 ou 10 personnes qui ont compris, mais tout le reste, vraiment, c'est l'ignorance, euh, c'est peut-être euh, euh, la, non-observance du danger ou quelque part le manque de ressources pour faire les ouvrages qui sont censés recevoir les eaux usées. C'est ça qui explique le comportement. Donc notre sensibilisation, on, en a eh, engagé le chantier depuis des années. depuis effectivement l'installation des nouvelles autorités, ils ont engagé le même débat, le même combat, ils sont en train de faire. Mais ce n'est qu'un chantier ouvert, comme on dit. Eh, nous n'avons que peut-être 5-10 personnes sur les 1000, donc voyez-vous, le chantier est grand. Ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il faut attaquer réellement c'est un chantier, là, il faut aller dans le quartier Marada, par exemple, faire une émission publique un forum communautaire pour que tous les habitants du quartier sortent, qu'ils examinent eux-mêmes le danger devant tout le monde et comprennent une solution communautaire. C'est une piste de solution déjà. Donc, ce qui fait que les gens, quand il pleut, ils sortent pour déverser euh, leur eau usée. Ils ont l'idée de la dilution. Parce que quand la pluie arrive, elle dilue les quantités d'eau usée et puis elles disparaissent. Elles s'écoulent dans le goulbi. Mais il arrive souvent que tu déverses les eaux usées et la pluie n'arrive pas. Là, c'est le conflit de voisinage, c'est la surinfection, c'est les mauvaises odeurs, c'est tout le quartier est perturbé. Et pourquoi encore ils font ça C'est qu'ils n'ont pas réellement les ouvrages tels que les fosses septiques, euh, les puits perdus, euh, les fosses d'aisance. tout ça, ça manque. Et ça a un coût, comme je dis, la population souvent manque de ressources pour faire la fosse septique ou faire le puisard ou le puits perdu afin d'évacuer euh, les eaux usées. Une troisième dimension de la chose, souvent, euh, c'est peut-être un défaut d'encadrement. Nous n'en avons pas beaucoup, en tout cas, de temps ni de moyens pour encadrer tout le monde. Sinon, c'est ça qu'il faut comme solution. La population veut souvent les 10% ou les 5%, ils veulent appliquer, mais ils n'ont pas la chance peut-être d'être encadrés. Voyez-vous, donc euh, ça aussi, ça fait partie de notre souci. Nous voulons bien avoir des modèles dans les quartiers un ménage modèle, c'est-à-dire un ménage qui a tous les ouvrages fosséptiques septiques, puis perdus pour évacuer les eaux usées. Là, il peut servir de relais, de bon exemple à ses voisins. Et à partir de ces ménages-là, on peut dupliquer et faire en sorte que les autres-là, progressivement, on fait un passage à l'échelle pour que les gens comprennent. Donc, nous sommes euh, sur ce chantier de réflexion-là. Monsieur Zeb, vous êtes euh, à la DRSP, vous êtes aussi euh, chargé de communication. Vous êtes satisfait quand des populations, au moins, même si ce n'est pas tout le monde, quand des gens euh, commencent à comprendre le danger euh, de l'évacuation de ces eaux usées Et ça te fait. Moi, ce que j'allais dire d'abord euh, par rapport à, aux raisons pour lesquelles ils nous ont amenés à ce stade, Ousmane a soulevé quelques éléments et moi, j'allais insister sur trois éléments. Le premier élément, d'abord, c'est le manque ou l'insuffisance de ces ouvrages qui sont censés collecter ces, matières usées. Effectivement, comme vous constatez, il n'y en a pratiquement pas. Les ouvrages qui existent, ça, n'existe que de nom. C'est juste des trous que les gens font. Et des trous, un trou qui ne répond à aucune norme. On peut dire que ça n'existe pas du tout, ces ouvrages-là. Et au-delà, la population, comme elle l'a dit, son pouvoir d'achat ne lui permet pas de s'offrir de tels ouvrages. Donc il y a la pauvreté qui pèse. Et en dehors de ça, quand vous constatez à Maradi, il n'y a pas de promoteurs privés à Maradi qui offrent des services dans ce sens. Ceux qui existent n'existent pratiquement pas parce qu'ils ne font que contaminer euh, notre espace vous allez voir une citerne de vidange, une vidangeuse qui va collecter des eaux mais tout le long de son parcours, ces eaux-là sont déversées sur les goudrons partout où ce, camion-là passe. Comment est-ce qu'on peut parler d'une évacuation Ça, n'existe pas à Marathi. Et le gros problème, c'est ça. Le gros problème, c'est ça. À, à l'heure actuelle, on a dépassé ce cap. C'est les privés qui gèrent. C'est les privés qui gèrent maintenant sous l'égide de la ville sont encadrés, il y a un consensus entre la ville et les privés. Et maintenant, vous allez voir, c'est déjà des chômeurs. Euh, l'évacuation des eaux, des, c'est des chômeurs avec des, des juste des, des pouces avec un tonneau. Le passe, c'est comme ça. Et les ouvrages, maintenant, les grands ouvrages, là où maintenant amener tout, il n'y a même pas d'espace. La ville n'a pas prévu d'espace pour ça. Et la ville n'a pas aussi les capacités pour euh, contribuer à, l'évacuation de ces eaux là Ça veut dire que c'est un problème de fond. Chacun est responsable. Et les autorités de la ville, et la population, et les techniciens, parce que l'encadrement manque. L'encadrement fait défaut. La population n'est pas encadrée dans ce sens. Et vous voyez, donc il n'y a pas de surprise à ce qu'on se trouve, la situation face à laquelle on, se trouve. merci. Monsieur le maire, quelle contribution apportez-vous dans la gestion de l'hygiène et de l'assainissement Ça, c'est une question, effectivement, qui relève euh, de la ville. Comme vous le savez, depuis notre installation, l'exécutif de la ville de Maradi a adopté eh, un esprit de, prévoyance. Donc, euh, d'entrée de jeu, nous avons pensé donc, euh, les premières actions. Les premières actions concerne effectivement euh, le curage des, caniveaux de la ville de Maradi et l'évacuation des, ordures ménagères, surtout les dépotoirs sauvages. Donc ça, c'était effectivement la première priorité que nous avons commencé effectivement pour pouvoir mettre notre population à l'abri de ce genre de choses qui peuvent arriver. Merci, monsieur le maire. Nous allons clore ce sujet, euh, n'est-ce pas, euh, d'évacuation des eaux usées par vous, Ousmane. Que dit la législation en matière d'évacuation La législation, il y a deux documents euh, nationaux de portée générale. Il y a le Code d'hygiène publique. Ça, c'est ce que le ministère de la Santé publique a élaboré. Il y a un chapitre dédié spécialement à l'évacuation des eaux usées. Et le deuxième document, c'est le Code de l'environnement. Vous savez, tout récemment, nous sommes devenus euh, le ministère de la euh, Santé publique, euh, de la population et des affaires sociales. Mais au sein du ministère de la Santé, il y a ce qu'on appelle une direction de l'hygiène publique et de la santé environnementale. Ici, à Maradi, nous sommes un service hygiène publique et santé environnementale. Donc, l'eau usée, avant que le danger touche l'être humain, d'abord l'environnement, il faut le protéger. Voyez-vous, les eaux usées, ils contiennent des acides, ils contiennent des microbes, ils contiennent tout ces, toutes choses par ailleurs qui peuvent nuire à la santé de l'environnement et au-delà la santé humaine. Donc le premier élément à protéger de par ces deux lois, la Code d'hygiène publique et Code de l'environnement, c'est l'environnement lui-même, il faut le protéger. Et au-delà, on protège la santé humaine. Voilà ce qui dit euh, les deux lois de façon générale. Et à l'intérieur, il y a des articles qui clarifient que la rue ce n'est pas ta maison. Quand tu as une parcelle de 400 mètres carrés, c'est 400 mètres que tu as acheté, ce n'est pas la rue. Donc tous les ouvrages d'assainissement, c'est dans ta parcelle, tu vas les faire. Si tu dois faire un branchement, tu dois faire une autorisation de branchement au niveau de la mairie. Quand tu as l'autorisation, maintenant tu fais le branchement. S'il y a un goût, euh, vraiment, euh, s'il y a un goût euh, communal. Donc ça, c'est des informations que nous devons donner à la population. Et euh, on ne branche pas un tuyau comme ça, un caniveau. Il y en a, c'est plein, c'est fréquent en Maradi. Hein. Les gens, le caniveau, c'est fait pour l'évacuation des eaux pluviales, ce n'est pas pour l'évacuation des eaux usées, ni pour l'évacuation des matières fécales. Mais il y a beaucoup de ménages qui cassent le caniveau qui a été fait à des grands frais. Euh, à leur guise, on branche le tuyau et on envoie tout ce qui est euh, comme eau usée, comme matière fécale. Ça, c'est contraire à la loi. Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues Il y en a des sanctions. C'est pour ça que je vous dis, il y a un, chapitre dédié spécialement à, cet aspect. Euh, tout comportement et tout contrevenant, en tout cas, à ces articles-là, il est exposé à des sanctions, en tout cas, à des intervalles variés. Euh, variés. C'est à des sanctions euh, pénales et à des sanctions financières qui suivent, en tout cas, jusqu'à en comparaître devant la loi, parce que c'est un ouvrage de l'État qui a cassé sans autorisation. Donc ça, c'est le BABA, en tout cas, de ces lois-là. Et le moins venu, peut-être d'autres occasions, nous allons eh, aller en profondeur pour que les gens comprennent en tout cas la portée de ce loi là Nous allons continuer notre débat pour parler de l'actualité ici à Maradi. L'actualité, c'est bien sûr euh, la maladie du choléra. Monsieur Sayeb Maradi fait face euh, depuis quelques semaines à cette maladie du choléra. Quels sont aujourd'hui les chiffres que vous avez euh, en termes euh, de, contamination, en termes de décès À la date du 26 août 2021, au total, on a enregistré 1348 cas, dont 24 décès. Et ces cas sont répartis dans quatre districts, à savoir Madarumfa avec 653 cas dont 6 décès. Maradi-Ville, avec 489 cas, dont 15 décès. Guidarumji, 191 cas, 3 décès. Tessawa, 15 cas, 0 décès. Quelle interprétation peut-on faire euh, justement de ces chiffres que vous venez de donner La situation est grave du moment où les cas ne font qu'augmenter, puisque nous, un cas de choléra, c'est vraiment une situation assez compliqué, à plus forte raison jusqu'à enregistrer 1348 cas. Ça veut dire que les règles ou les mesures de prévention à observer quelque part ne sont pas très bien respectées par la communauté. Pourquoi je le dis Vous allez constater, et généralement les cas de décès qu'on enregistre au niveau des sites, c'est des gens qu'on amène tardivement au niveau de ces centres-là. Or, on sait que le choléra n'attend pas. Dès que le vibrion cholérique est ingéré, 2 à 3 heures et à 5 heures de temps après, vraiment ça va se déclencher. Et une fois que ça se déclenche, si dans l'immédiat rien n'est fait, on connaît les conséquences à ce niveau. C'est vraiment un défi pour nous tous, surtout pour la communauté, parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Donc, dès qu'un sujet, un individu commence à présenter un des signes, vomissement ou diarrhée, on n'attend pas. Nous avons l'habitude de que zahine. Vous voyez, on tente l'automédication. Maintenant, c'est après, quand ça ne va pas, maintenant on amène. Et que on arrive tardivement, le choléra vraiment n'attend pas. Donc, pour, euh, à ce niveau, il va falloir que tous les acteurs vraiment se mobilisent pour encore sensibiliser davantage la population pour référer précocement tout cas suspect. Parce qu'on n'attend pas. Dès que ça, ça se confirme au niveau communautaire, donc c'est vraiment grave, ça ne serait pas facile de sauver euh, l'individu. Voilà. Et maintenant, de l'autre côté, j'ai dit la, non-observance des règles, des règles d'hygiène, parce que c'est des règles d'hygiène qu'il s'agit. On vient de l'évoquer avec euh, l'évacuation des matières usées. Et vous allez constater, même par rapport aux mesures d'hygiène alimentaire, vous allez le voir un peu partout au niveau des places publiques, au niveau des ponts, des ventes des denrées alimentaires. Vous allez constater que l'hygiène est, vraiment rudimentaire. C'est vraiment dérisoire. C'est pas, pas du tout respecté. Les gens prennent les choses à la légère. Et quelque part au niveau familial aussi, vous allez voir vraiment c'est, la négligence presque totale. Donc euh, à ce niveau, les gens vraiment ont intérêt à se ressaisir puisque c'est il s'agit d'une question de vie. Merci Madame Zaibou. Nous allons revenir sur les mesures d'hygiène à respecter pour éviter cette maladie. Monsieur Ousmane Yakuba. dans les chiffres que Zaibou vient de nous présenter, Madaronfa est en tête. Qu'est-ce qui peut expliquer cela Ce qui explique ça, c'est que le choléra, globalement, c'est une euh, maladie de la mauvaise hygiène c'est un indicateur de la mauvaise hygiène. Dans notre jargon sanitaire, dans l'explication épidémiologique, un cas de choléra égale épidémie. Ça veut dire que toute communauté qui présente un cas seulement, ça veut dire qu'elle est sale. Et quand vous prenez eh, le département de Mada Runfa eh, c'est quoi le problème Le choléra est défini par quatre paramètres. Le premier paramètre, hein, eh, euh, disons globalement, on appelle ça une maladie à 4F. Euh, le premier F, c'est FSS, c'est-à-dire euh, les matières fécales. Les gens font ce qu'on appelle la défécation à l'air libre. Et même en Maradi-Ville, c'est un problème. Le deuxième F, c'est flies, c'est-à-dire les mouches. Quand vous prenez tous les quartiers autochtones euh, de Maradi et la ville de Madaroufa, le fumier, la défécation à l'air libre, tout est dans la maison. Donc les mouches ont un endroit pour se reproduire. Et le choléra, dès qu'il y a un cas de choléra, plus les mouches, c'est fini. La vitesse de propagation, elle est insaisissable. Et ce qui fait que euh, aujourd'hui, la nuit, vous avez un cas, avant 24 heures, vous avez 10, 15, 20 cas. Parce que les mouches là vont se poser sur les aliments, sur euh, la bouche des gens, sur leurs mains, et ainsi de suite. Et notre F, c'est finger, c'est-à-dire les doigts. Les gens ont la mauvaise hygiène des mains. Le quatrième F, c'est food, c'est-à-dire les aliments. Il y a une mauvaise hygiène alimentaire les gens ne protègent pas les aliments. L'eau que nous consommons, il n'est pas rare rien hein, de voir à Marrakech, les gens aller au lac prendre de l'eau pour préparer la même eau qui a été en contact avec les matières fécales. À quelques 10-15 mètres, quelqu'un est en train de déféquer et tu vas de l'autre côté, tu prends de l'eau pour venir boire ou aller à la maison préparer ça. Voilà le mélange dans lequel nous sommes. Et la même équation est valable dans la ville de Maradi. Les gens font la défécation à la libre. Les aliments ne sont pas protégés. Il y a beaucoup de fumée dans les quartiers autochtones la, la petite hygiène corporelle, ça, chez certains, égal à zéro. Il y en a qui ont zéro sur 20. En ville Je vous jure. Il y en a qui ont 0 sur 20, il faut noter, comme euh, l'enseignant de l'école primaire, là, qui note les copies. Là. Moi, si on me donne les copies de certains individus, quand moi je donne 0 sur 20 en hygiène, ça, il y en a. Pour la preuve que tu invites ton ami à manger, il est là assis à côté du caniveau. À peine il va essuyer ses mains, il s'approche du plat, vous allez manger ensemble ou bien quand il y a cérémonie, mariage, baptême, euh, on fait sortir le plat, tu vas voir que euh, c'est le mental du quartier, c'est l'autre, tu ne sais pas d'où il vient, vous allez manger ensemble dans la même assiette-là et vous allez partager l'infection. Voilà comment nous vivons culturellement. Ça, il faut qu'on fasse très attention. Le choléra, ça se partage. Souvent, ça s'achète. Pourquoi j'ai dit ça s'achète Parce que toi qui est qui a un niveau intellectuel différent de l'autre, là, pourquoi tu acceptes de manger avec quelqu'un qui est sale il faut te protéger. Tu n'es pas obligé de manger à un mariage, à un baptême. Donc voilà pourquoi nous partageons le choléra. Le marché, quand tu vas au petit marché, il faut savoir quoi acheter. Les légumes, les gens ne lavent pas, tu achètes n'importe quoi. La, petite eau de javel qui coûte à peine 100 francs, 300 francs, les gens trouvent que c'est très cher. Voyez-vous, ça, c'est. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Il y a la culture, il y a la pauvreté, il y a l'inconscience, il y a le niveau d'instruction, il y a l'imprudence, hein, il y a la négligence, il y a beaucoup de choses autour du choléra Vraiment, toute chose, le danger est là. L'environnement est malade. Pour ça, je vous dis, nous sommes euh, maintenant une direction de l'hygiène et de la santé environnementale. Donc, c'est l'environnement d'abord qui est malade. Et tant que notre environnement n'est pas soigné, nous ne serons jamais en bonne santé. Et qui est responsable de la maladie de l'environnement C'est l'homme lui-même. Donc, c'est l'homme l'ennemi de l'homme. Voilà l'équation. L'homme est l'ennemi de l'homme. Parce que c'est lui qui fait la défécation à l'air libre, sinon dans la dignité humaine, pourquoi dans une ville comme Maradi déféquer à la libre euh, La bataille est grande. En tout cas, et euh, nous allons unir, nos efforts avec la communauté urbaine pour voir réellement comment euh, <laughs> tirer le bout du fil, comme on dit, et voir la fin du fil. Est-ce que la maladie commence à reculer ou bien c'est toujours le statu quo Bon, y a, vous savez, c'est comme on le dit, le, le choléra, c'est une maladie qui est en rapport avec l'eau, et que ce que nous avons constaté, dès qu'il y a une accalmie, dès qu'on observe 2, 3, 4, 5 jours sans pluie, on constate que les cas, la notification des cas est, rare. Maintenant, dès qu'il n'y a plus encore, et on a la survenue des... Il a, plu, il a plu hier, ça veut dire que... Non, non, je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas c'est pas parce que ça a plu hier, aujourd'hui aussi que ça. Eh, ça, nous, on, ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Mais quand même, on sait que ça a un rapport avec l'eau et avec euh, la pluie parce que c'est une eau sale qui traîne partout et que vous allez constater les enfants et tous ces mélanges. Et donc, euh, c'est parce que c'est un facteur favorisant. C'est pour cela. Sinon, si la pluie a tendance à baisser aussi, vraiment, nous constatons qu'il y a... Les cas vont baisser aussi. Oui, bon, sûrement, les gens commencent vraiment à prendre conscience vraiment de la portée de la maladie contenue. Vraiment, on est parti de 1, aujourd'hui, on est à 1348 avec jusqu'à 24 décès. Donc maintenant, les gens vraiment commencent à avoir peur et à prendre conscience et maintenant à observer eh, les règles. Merci, euh, euh Madame ou Madame Lawali. Monsieur le maire, euh, la ville de Maladie fait face à cette maladie. Qu'est-ce que vous avez fait pour aider les services sanitaires dans la gestion de cette euh, épidémie Donc, merci. Donc, depuis donc, l'annonce même du premier cas, donc, la ville de Maradi a été saisie par l'équipe cadre donc, de la santé pour dire qu'il y a un problème, il y a un danger qui guette notre population. Donc nous avons demandé rapidement donc, euh, le besoin euh, pour l'équipe sanitaire. Donc, euh, et on a discuté ensemble et d'une manière très prompte, très prompte jeudi, on a eu à coordonner la situation donc moi j'ai apprécié donc la promptitude par laquelle vraiment il y a eu des, cette euh, réaction. Pour la ville, donc je reviens, il y a eu eh, un appui financier, il y a eu eh, une dotation à nourriture pour les malades et il y a eu aussi des sensibilisations pour l'équipe d'hygiène et d'assainissement de la ville et même pour les crières, crières publiques, donc à l'instar de Rabadounia, donc euh, tout ça. il y a une certaine coordination aussi de l'autorité, des autorités, pardon, l'équipe cadre de la santé, les chefs des quartiers, les représentants des, sultanats, le partenaire technique et financier aussi. nous avons la presse, il, faut le noter aussi, et des syndicats et autres organisations vraiment qui ont pu à prendre des engagements et beaucoup ont arrivé à honorer. Donc vraiment, ça, nous avons été très satisfaits. Sinon, on ne sait pas euh, l'Équatombe donc qui va essayer de, de guetter la ville de Maradi. Nous allons aborder notre euh, dernier euh, aspect donc de, de ce débat, c'est bien évidemment comment assurer l'hygiène. Monsieur Ousmane Yakouba, comment assurer une bonne hygiène et un assainissement digne du nom au profit des populations Ça, c'est la question centrale. C'est un sujet multisectoriel. Nous sommes ici présents, la direction régionale de la santé, la ville euh, de Maradi. Il n'y en a pas que nous, il y en a d'autres secteurs en tout cas qui peuvent apporter leur concours pour que la ville de Maradi soit en tout cas une ville propre, pour que l'hygiène soit une hygiène digne au profit des populations. Idéalement, ce qu'il faut, c'est un programme de travail conjoint entre les différents acteurs, en tout cas qui interviennent pour euh, le bien-être de la population. Si on arrête un programme de travail en ce moment, donc on verra sa dimension, les partenaires qui vont nous accompagner, puisque c'est une affaire euh, assez euh, lourde financièrement assez lourde, culturellement assez lourde du point de vue comportement. Puisque même si nous avons de l'argent pour faire le travail, nous n'avons pas la maîtrise du comportement de la population. Je vous disais tantôt qu'on construit des caniveaux à grands frais, mais la même population vient casser. La même population vient mettre des ordures dans les caniveaux. La même population fait la défécation à l'air libre. La même population, en tout cas, met des pneus, des matelas, du bois dans les caniveaux. Qu'est-ce que vous voulez ça, c'est un autre aspect de la lutte. Nous allons faire un programme de travail pour euh, engager, en tout cas, le premier élément, c'est la sensibilisation. Il faudrait que la population comprenne. Le deuxième élément, c'est l'organisation. Et le troisième niveau, maintenant, c'est euh, les ressources euh, qu'il faut et le partenariat pour vraiment engager ce grand chantier. Monsieur euh, Laloli, vous estimez que cette solution peut être durable oui, elle peut être, durable puisque c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut vraiment un cadre de concertation entre les différents acteurs qui œuvrent dans le domaine euh, hygiène euh, publique. Ce serait vraiment, cela permettrait de renforcer la collaboration et de mutualiser les efforts vraiment afin de pouvoir euh, atteindre l'objectif. Mais mieux, moi j'allais dire que tout à l'heure on a parlé de la réglementation au-delà de la phase de sensibilisation de la population qui, est, qui devrait intervenir à tous les stades, Juste, ça, ne finit pas. Donc, qui devrait intervenir à tous les stades. Je crois qu'il y a des organes ou bien des structures de l'État qui ont cette responsabilité, qui ont la responsabilité de veiller à l'application. Oui, ils ont la charge d'aller rechercher et de constater les manquements à ces règles d'hygiène. Donc moi, je pense que si on active cette structure-là, si, en collaboration avec la ville, on met, de facto la partie ville maladie, partie police sanitaire, je crois que ça fera une, une bonne affaire, puisque c'est un travail de contrôle, de conseil, d'inspection et aussi au cas où vraiment on a affaire à des indélicatesses, on peut toujours sanctionner comme le, prévoient le, les textes. Est-ce que c'est pas parce qu'on ne sanctionne pas les gens euh, que euh, ces comportements sont constatés Oui, bon, pour sanctionner, il faut alors, il faut d'abord aller rechercher et constater avant de sanctionner. Si la structure qui a la charge, qui a la responsabilité d'aller chercher ces manquements-là, n'a pas eu l'opportunité ou bien n'a pas eu les moyens nécessaires d'aller faire ce travail, comment on peut sanctionner une personne du moment où on n'a pas constaté ça Ça, il faut le faire parce qu'il y a des documents par rapport à ça. C'est des documents officiels de travail. Donc je crois que si la police sanitaire, la ville de Maradi se mettent ensemble, peut-être, je crois, on peut venir à bout de ce problème. Il n'est pas dit que c'est la force, non. La police sanitaire est là pour encadrer, elle est là pour sensibiliser. Maintenant, quand ça ne va pas, on voit que vraiment il y a trop de récidives. En ce, moment, en ce moment on peut référer vraiment l'individu. Monsieur le maire, est-ce que la mairie envisage des travaux dans les anciens quartiers où la situation est beaucoup plus criarde Effectivement, comme euh, vous venez de, de, le notifier, effectivement. Donc nous avons un projet actuellement, effectivement, d'augmenter un nombre de, de caniveaux, effectivement, de, penser aussi à, à comme euh, c'était l'autre là qui a dit qu'il y a des caniveaux qui n'ont pas une petite dimension, donc d'augmenter leur dimension. Donc tout ça, effectivement, c'était l'un de, de, de, de, nos projets, de, nos préoccupations aussi. Je suis d'accord avec les problèmes, les insuffisances des infrastructures, les manques de ressources pour la population, autres. Mais il faut prendre vraiment au sérieux le comportement. Puisque, en termes de, de comparaison, il y a des villes du Niger, effectivement, en termes même de ressources, n'ont rien à dire face à Maradi, mais qui arrivent vraiment à gérer euh, leur système d'hygiène et d'assainissement. Donc, moi, ce que j'ai à dire vraiment, comme on a l'habitude de dire, Sabta Adiniti, Sabta Adiniti, et surtout, surtout, le respect de son prochain. Parce que le voisinage là est pétiné ici Les gens ne se soucient pas d'autres, tout simplement. C'est chacun pour soi. Chacun pour soi. Vraiment ça. le reste. Donc le reste, <laughs> c'est pas de problème. Donc vraiment, ça c'est un problème qui nous tient à cœur. Vraiment, et vous allez faire quelque chose par rapport à ça, monsieur le maire Effectivement, on est en train même de le faire. Parce que depuis notre arrivée, nous avons eu à avoir de plaintes, à recueillir de plaintes et à réagir. Donc ça commence d'abord par la sensibilisation. S'il y a un cas vraiment de, On convoque la personne au niveau de, de la mairie. D'abord, on envoie l'équipe pour constater ce qui a été fait. D'abord, on convoque l'individu on vient, on le sensibilise, on le conseille, on l'édifie. Et maintenant, ça vraiment, ça, ça a de, de, portées. Hein. Ça vraiment, nous avons eu à, des résultats pour le conseil sensibilisation autre. Donc c'est maintenant, en cas de, de, de, de refus autre, donc qu'on peut, penser à la dernière mesure, donc la punition. Merci beaucoup, monsieur le maire. Nous allons finir avec vous, Ousmane Yakouba. Est-ce que les quartiers comme Bagala, Maradawa, peuvent être salubres Oui, chaque problème a une solution. Ils peuvent être salubres. Vous vous rappelez du racasement euh, en à Niamey On essaie de restructurer le quartier. Ici, dans la ville de Maradi, une fois la solution a été initiée, mais il s'est trouvé que les gens à qui on a attribué les nouvelles parcelles, ils ont vendu, ils sont revenus. Parce qu'il n'y avait pas eu de mesures conservatoires. Aujourd'hui, si on veut les anciens quartiers de Maradi, on peut les relocaliser. C'est-à-dire qu'il faut tout démolir, recaser les gens, faire une nouvelle ville. Tout est possible. Tout c'est une question d'option pour la vie. Hein. Si ensemble, c'est pour ça, tantôt, je vous parle de forum communautaire. C'est-à-dire, on discute à la, avec la population jusqu'à arriver à une conclusion que ces endroits-là, il faut les quitter parce qu'il y a des lits. La première dame qui parlait de son témoignage, qui dit que qu'il y a quelqu'un qui est en haut et quelqu'un qui est en bas. Celui qui est en bas, là, du point de vue loi, ce n'est pas un lieu de résidence. Mais bon, nous ne sommes pas encore là, c'est-à-dire qu'on devrait déguerpir ces gens-là. Ce n'est pas un lieu de résidence, c'est un lieu d'écoulement. C'est dans des jardins, les gens sont partis. Donc, si euh, une inondation, tu vas aller dire à l'Amérique encore, on ne t'a pas aidé. Donc, il y a des solutions à tout problème. On peut bel et bien assainir la vie de Maradi. C'est une question de volonté, en tout cas technique, et de volonté, en tout cas du côté de la population. Il suffit de discuter du sujet. Inch'Allah, on peut arriver en tout cas à toutes les solutions à ce problème-là. Merci beaucoup. Merci Ousmane Yakouba. En conclusion, nous dirons que à Maradi, la question d'hygiène et d'assainissement se pose avec acuité, ça c'est un fait réel. Les populations sont réfractaires à l'observation des règles élémentaires d'hygiène, surtout dans les anciens quartiers. Il est plus que nécessaire que la sensibilisation soit intensifiée pour apporter un changement de comportement positif. Sinon donc euh, la région va continuer à faire face à euh, ces maladies, notamment comme le choléra. Merci Ousmane Yakouba. Merci Saïb Malalaouli, merci Rabiou Kane pour avoir participé à ce forum. Merci et à la prochaine.